l'impact a été très dur pour nous parce que les 80% des artistes musiciens, quand je parle de secteur de la musique, euh, vivent de la scène, vivent de rassemblement euh, de la population. Et que du coup, tout cela vient s'arrêter sans aucune préparation guerre, c'était de bonne guerre parce que le, la pandémie, on ne savait pas là où ça allait nous amener. Mhm. On a, on a participé, les artistes ont participé à la promotion de, des mesures, des mesures barrières. On a fait des vidéos. Tous les artistes euh, au Niger, en tout cas, ont fait des vidéos pour montrer la dangerosité de cette pandémie. Euh, on pensait que c'était un truc de un mois, euh, que parti pour un mois, on allait avoir la solution pour le virus, mais ça n'a pas été, ça n'a pas été le cas. Alors les musiciens ont vraiment été sonnés. J'en suis beaucoup témoin parce que euh, je connais beaucoup de familles des artistes qui sont, qui sont disloqués à cause de la pandémie. rien qui a été prévu pour les artistes qui vivaient déjà dans la zone de précarité. La pandémie vient de les arrêter pour un mois encore. C'était dur donc, euh, nous avons chiffré au niveau des musiciens, de l'association, que pour le premier mois, juste le premier mois, on a estimé pour les artistes qui jouent régulièrement, on a chiffré leur manque à gagner par mois à la somme de 173 millions de francs. Donc, vous vous multipliez naturellement par trois, vous voyez le chiffre que ça peut donner pour la première vague. On est pour cette deuxième vague aussi, qui encore, on avait confiance à notre gouvernement parce qu'on savait que la première fois, c'était vraiment une débâcle au niveau des, acteurs culturels. Il n'y avait rien qui avait suivi. Moi, je peux dire que parce qu'il y avait eu deux distributions de vivres, gens de deux sacs euh, de, de mille euh, ou de maïs les arts des musiciens. Dans, la multitude des problèmes que les musiciens avaient, vraiment on en est reconnaissant par rapport à cela. C'est quand même un geste du gouvernement, c'est très bien. C'est quand même, euh, euh, c'est bon, mais c'est pas arrivé comme on le dit souvent. Mhm. Il y a vraiment des problèmes qui sont là. On a vu d'autres pays qui ont fait le cash. Ils ont envoyé le cash à notre secteur culturel. Euh, comme prenez le cas du, du, Sénégal. La dernière fois, combien de milliards ont été donnés aux artistes Prenez le cas du, Burkina, prenez le cas d'autres. Beaucoup de pays, le confinement ne concerne pas seulement jamais Le confinement touche même les, artistes de l'intérieur du pays. Ils sont confinés parce qu'on a interdit le rassemblement on a attendu, on a fermé les, cafés, les restaurants et autres. Même à l'intérieur du pays, le manque à gagner devient encore colossal. Est-ce que avec le confinement et réconfinement, nos artistes vont pas perdre la main Tout naturellement, c'est une grande perte que les gens sont en train de faire, sans parler d'abandon. Parce que beaucoup abandonné, hein. ça on perd carrément la main. C'est pas la main, on perd carrément le bras. Beaucoup ont perdu les doigts. Moi, personnellement, j'ai perdu un doigté. Je connais les groupes qui sont disloqués. Je connais les groupes qui ont vendu même leur matériel pour pouvoir manger. Vous voyez la gravité des choses. Et les groupes qui ont vendu leur matériel acquis d'une très haute lutte. Beaucoup qui ont eu, qui ont pu, ont difficilement acheter une parcelle dans leur vie Baptiste Ils sont obligés de, revendre la parcelle. J'en connais des gens qui ont vendu leur maison, des gens qu'ils habitent pour se retrouver en périphérie. J'ai une liste au Je disais, donc, est-ce qu'il y a des alternatives dans ce tableau sombre Est-ce que quand même il y a une lueur quelque part La lueur, c'est euh, nous avons confiance en nos autorités. Sincèrement, nous avons toujours confiance en nos autorités qui s'accompagnent à chaque instant que nous avons besoin d'eux au moment indiqué. Alors, euh, la lueur, c'est l'espoir. Nous que, n'est-ce pas, nos autorités feront un clin d'œil